ku da zuwa bisa kan shirye-shiryenmu da studio kalangu ke sarrafa ma matasan Niger. Kuna tare da Aminu ku ta kullum Rabia Mai Kano. Cher ami, vous le savez déjà, fadamu ba ta da inda ba mu dora ta ga muna a radio ta karkara ta buza nan muka dora fada mu tare da matasan buza da mu shushukan nasu da uwayen yan makaranta yau pour parler de la scolarisation de la jeune fille mais pas que donc parler aussi du maintien de la jeune fille une problématique qui fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive au Niger cikin garuwa da inda muka je kamar su birnin gaure akwai matsala bisa kan zuwa lakwalkin ya mata duk da yake shugabannin ƙasa namu suna yin bakin ƙoƙarin su furka har a samu ma lakwal ta jan inda za a kai su banda wannan luwakin hannu da aka ɗora wadda za a tilasta ma uwaye su kai ɗaya mata lakwal har zuwa shekara goma sha shida ana nan ana yin abin da ake iya yi su uwaye suna yi su ma shugaban namu suna yi amma yau muna so mu san ita kuma yarinya ta buza

isaka ina kwana lafiya kalau mun tardo ku lafiya ko lafiya lafiya lawa lafiya lawa alhamdulillah lalle alhamdulillah masha Allah c'est bien ah a wannan fata kuma na tare da Bukari Muhammad il est du mouvement des jeunes citoyens pour la paix et la stabilité sociale ça va bukari tu vas bien va, Sois le bienvenu surtout à la FADA. Ah, merci. Alors, on a Ibrahim Sadou, il est professeur de maths, euh, mais il est également euh, SG du syndicat des enseignants du secondaire. Ça va Ça va bien. Tu vas bien Ça va, alhamdoulilah. Super. À cette fin, nous avons également Issoufou, euh, Issoufou Issa, Moussa. Ben, on va parler de la situation de la jeune fille de Bouza avec vous, euh, amis de la FADA. Nous ferons vraiment l'état des lieux de la situation de la jeune fille. Qu'est-ce qui bloque sa scolarisation Quelles sont les actions menées vous le savez, il n'y a pas de fada sans musique. Nous aurons également notre musique, la rubrique préparée par Mr. Dondi et la chronique ben, de notre chroniqueur chouchou Olivier. Ça va Olivier qui avec nous euh, ce matin à Bouza. Ah bah bien calé, nous sommes à 130 km de Tawaville, c'est ça hein Exactement. voilà. Toujours des découvertes, toujours de l'énergie positive et surtout de belles histoires à raconter. Et ce soir, on va raconter l'histoire de notre école, de l'école nigérienne et surtout de l'école de notre génération. Une école qui est confrontée à beaucoup de difficultés. Je vous laisse sur votre fin. On se check à la fin pour la chronique. Merci bien. À Belle émission Voilà, top, c'est parti. En décembre 2017, un décret signé par le président de la République protège et soutient la jeune fille à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Cette problématique est vraiment au cœur des débats. Aujourd'hui à la FADA, on veut savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à la scolarisation de la jeune fille de Bouza. On va commencer par la maman. Mm. matsala muna kiran su muna kiran uwayensu kuma muna kiran su su haɗin matsalar da me yasa su ba su zuwa ekwal mm-hmm. kuma ko an haɗa musu wasu suna zuwa wasu ba su zuwa eh, kenan kawai ganin dama uwaye eh, ne wasu ganin dama uwaye na kuma wasu ganin dama su tunda wasu ma uwayensu suna kokari na su tahi ekwal eh. su ko ba su zuwa a yara ma ne wasu kuma ba su ma ba su zuwa eh eh okay to yanzu mun ji uwa bar mu dawo wajen uba tunda kuke sa wani ɗiyan lakwal eh. ya ne ake ta da shi ya ake cikin shi a wannan kamar ta gayi hakan ne yara ɗiya mata daina lakwal buza gaskiya suna zuwa hmm. wanda ba zuwa kaɗan ne a kaɗan ne kuma eh kaɗan ne kuma baya da haka wasu suna eh uwayensu ne su ajizan mhm. miye nake nuhi da burle da safe an tashi za a lakwal sa a ci an a alarka in sun ka yi babu su lakwal oh, kwanji me shi non in an ka bancaka cikin ana iya samun kamar 90% masu ta lokal mata gaskiya nan ga babu matsala bisa ga zuwa lokal wajen mata ɗaya ɗaya ne gaskiya hisbillah hmm. wawai kuma muna biyar da su sau da muna gani sai kishe fasa muna bin su ɗaya da ƙaha insha hmm. Allah babu matsala yanzu mu zo wajen mushe mushe mai sandika a'a mu hara dai ga sandika dai mushe ina so in sani mai so Ibrahim Sadu ko eh, effectively to mun jira faran da lafiya yaya ne harkar take suka ce mana yara ba dai abin da ba su tafiya kuma wasu kuma uwayen su ne suke ya a ce an ta ekol kuma ba ta ekol ba hmm, sai kon pelle école buissonnière yawa to pour corroborer ce que le représentant des parents d'élèves en même temps président du COGES a dit mhm. si je maintiens à ces chiffres 90% je pense que c'est une bonne statistique c'est un bon résultat si les 90% partent à l'école mais jusqu'à quel niveau c'est ça la hmm. question si en sixième on a 100 ou 200 ça dépend de la capacité d'accueil de l'établissement arrivé en quatrième ou en troisième nous avons combien ensuite en seconde on a combien c'est dans cet aspect qu'il faudrait c'est là que se situe au le vrai problème. Le vrai problème et surtout les causes qui font en sorte que la jeune fille ne reste pas à l'école effectivement. Vous avez parlé d'un décret de 2017, mhm. je crois, qui protège, n'est-ce pas Qui protège, qui assure le maintien de la jeune fille à l'école. Eh bien, moi je pense qu'il faudrait surtout à ce niveau euh, accorder l'importance à la teneur du décret parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de faire sortir un décret pour protéger, mais on peut protéger quelqu'un qui va rester à l'école et ne rien faire. Il va tout simplement occuper, gonfler la statistique

zo ikon duk wanda mun ka gani waje sai na sai na kurushi ya shiga cikin kalas sai dai in ba in dai na gusa shi hito amma muna kan kokarin bisa su shiga cikin kalas mm. mu ba mu san ko me yasa ba sai ka ga da an jima sai a ce maka babu yaro kaza cikin kalas eh. babu yaro kaza cikin kalas kai ta mamaki yo kuma sun ta ina sun ta gida ko ko sun ta wani bi ba gida suka zuwa ba sun ta cikin gari ko ko wani huri suna wasa ah to tsaya eh, ko kuma yanzu cikin cikin kur mhm. cikin kur da lekwal hakan ga eh. a cikin kurjin lekwal yanzu suna nan wasu suna cikin a nemi musu kur kuma har yau cikin wa'anda wa'anda ka wasa mm. akwai su da aka yi ma cikin klas sai ka zaka iske su sauran yara suna suna waje suna wasa to abin da ke son gane salula ce kasuwanci ne arme ne suka yi sawa a rai ko kuma ne salula wasu na salula yara kuma wasa ta suka yi amma yan mayan nan salula ka ɗauke musu hankali mun yi iyakacin ƙoƙarin bisa ga salulan nan har amshe musu muka yi har tsoro muka bashi muka basu muna cewa in mun mun ka amshe salula ba mai da ta da tana zamu mu sa cikin kes in abin ga na kojes mm. mun ka ta ba su tsoro ka manza sai sun yi kama sun yi sai sun yi kama sun bari ko da aka kwana biyu kuma sai a koma okay yanzu ina ji dole ne mu gangaro wajen bukari bukari ku dai kuna tare da matasan wannan vous avez pour la paix pour euh, la stabilité sociale, mais vous êtes aux côtés des jeunes. C'est quoi leur problème ici <laughs> Pourquoi c'est comme ça Wa alaikum salam. Ita gama hawara da kun ka tsara sai hakure hukunan ku. Don akwai abin da akwai abin da za ku ji wanda Allah ba zai gamshe ku ba. Mhm. ana ganin damo na ana biyan mulkaki an san inda an inda ya kamata a cuce problem mai ba a cuce problem can ina ne gani mu ji mana Ka gane. ai fada muke yau an ce scolarisation de la jeune fille mm. jusqu'à jusqu'à l'âge de 16 ans 16 ans ba qui ba la protéger à l'école ai mu mun san lokacin da aka ci lista kai diya mata mais quand tu oses toucher à une fille tu auras des problèmes avec l'état même pas avec les parents avec l'état on a vécu ça Okay. mais yanzu jifarar yan daga zamfan nan kole sai su dawo ga tabuza ban ce miki wani wuri ba dan ban san wani wuri ba nan garin ga na sani ver 9 h 30 10 h in ki biya za ki tar da yan samari yan kaba kaba da motunan suna hira da yan kananan yara eh diyata na ga ta kai aji da puberty ta fara hira samari ba armar da ita ka ta jami matsala eh so an clear ah, saboda mi saboda duka responsibility da aka mushe eh ba mu ba da afaran da level hmm. ko ko yan hulla ba mu mun ka amshe musu wannan responsibility ba la faute revient à l'état l'état a la part de à sa part de responsabilité causer avec une élève dans la cour de l'école c'est trop flagrant c'est être avant de poursuivre ce débat avec nos invités, on va aller du côté de la rubrique. Cette fois-ci, redonne Hiradondi et on se reprend juste après. Big up à l'équipe jeune. Vous, vous, rappelez certainement de l'artiste Hamdi Malam. Aujourd'hui, nous allons donc réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler non seulement des œuvres artistiques de Hamdi Malam, mais aussi de ses projets. Bienvenue. Hamdi commençons par le commencement. Parce que ce tangle permet aux jeunes de savoir aussi un peu ce que tu as comme produit. Il faut nous là. Eh ben, j'avais sorti un premier single. Ok. Quand signe inconnu. Inconnu Inconnu. Inconnu, c'était la première chanson que j'ai lancée officiellement. en étant solo. En étant solo. Ok. Voilà, c'était une sorte d'introduction c'était une façon de m'introduire. déjà tu es l'inconnu, voilà. tu viens de débarquer dans le gars. Évidemment. Donc du coup, après Nune, quand non, je vais chanter à langue. À langue. Qu'est-ce qui t'a amené à, chanter à langue bah, Je me suis dit que chanter en français ne peut pas m'aider à me démarquer. Ne peut pas m'aider à valoriser eh, ce que je fais parce que déjà inconnu si tu parles le style est urbain mhm. et ça ça fait déjà la même chose avec ceux qui marchent à l'international. Donc je ne peux en aucun cas avoir une grosse visibilité ou, je, ne peux, pas marcher avec ça en fait. Hmm. Parce qu'il y a déjà sur le marché des trucs qui existent et qui partent dans le même style. Hmm. Donc il faut obligatoirement que j'apporte une originalité, une touche assez originale, assez nouvelle pour que je puisse exploser. Après Ubamu, qu'est-ce que tu as acheté Après Ubamu il y avait Jara Jara, il y avait Everyday. Ok. Il y avait bon, mon premier album en fait. Donc un album. Et le premier album c'était quoi déjà C'était Alanati. Alanati. Évidemment. D'accord. Qui a vu le jour où euh, je l'ai verni le 10 février 2018. 10 février 2018 À la MJC de MJC de Seco. Et je me souviens bien, que tu étais là. Bah, il faut noter aussi qu'en décembre passé, j'ai sorti mon premier EP. C'est quoi le nom de ah, l'EP déjà Tauraro. Tauraro. Ouais. Tauraro qui veut dire étoile, l'épée Tauraro. Et en dehors de l'épée, tu as un projet Ouais, là, il y a la... Parlons des projets de l'artiste Amdi Malam sur cette émission. Eh ben, actuellement on est en train de préparer l'album. Récemment, on a fait déjà un premier show live avec mon équipe. Et c'était aussi en janvier. Et l'équipe est là. L'équipe est là, justement. L'instinct est solennel. Hamdi s'exprime. Donc, Hamdi euh, Malam, je vous passe le salam de Niam jusqu'à Panam qui fait le talent. Voilà, Hamdi, je suis sur les réseaux sociaux au nom de Hamdi Malam. Sur, ma chaîne YouTube, c'est également Hamdi Malam. Sur euh, Instagram, Hamdi Malam. Facebook, ma page également c'est Hamdi Malam, donc H-A-M espace D M-A-2-L-A-M. Voilà, vous pouvez déjà aller vous abonner et suivre les activités parce que bientôt, bientôt, très bientôt, il y aura pas mal de trucs qui vont sortir et voilà. Il faudrait pas vous vous fassiez passer Merci infiniment pour ce que vous faites pour nous. Merci infiniment pour le soutien. Merci au studio Kalangu qui nous accueille à chaque fois qu'on a envie de, s'exprimer. Merci. Ami de la FADA, on revient à la FADA aujourd'hui. Il est question de le maintien de la jeune fille de Bouza à l'école c'est ça qui pose le problème le plus gros problème muna nan muna hira uwayen da a wannan muna de l'association des mères d'élèves isaka yakuba représentant des parents d'élèves Bukari Mahaman du mouvement des jeunes citoyens pour la paix et la stabilité sociale Ibrahim Sadou professeur de maths et euh, professeur de maths et physique. Il est également le SG du syndicat des enseignants du secondaire. Nous sommes avec euh, Issoufou Moussa, lui il est professeur d'histoire géo. Ton, zo bukar ka wata magana da zai sa kuma ƙara dawo hal wajen uwaye <laughs> muna so mu sani isaka euh, vous qui d'élèves c'est quoi le problème parce que quand on entend Boukari on a vraiment l'impression que il y a un souci au eh, niveau bon, de <clears throat> salam parce que les enfants c'est les parents eh, abinda Boukari ya gai hakikan haka ne mais duka makasudin matsalolin ne ne wajen gwamnati da dawowa parce que ina ganin lakwal ta diya mace tun zamanin da gwamnati hidda da kiran yace babu shatiman babu ba da kashi lakwal ta tababbare parce paske yaro bai tsoron mushe da mushe bai bugu in ya buga yana da matsala da gwamnati yana da matsala da uwaye mu dai hoton mu uwaye shakfuwa muna reunion abinda muka ba da yanci yaro in yayi tambada a ci mai in su ma ba su iya ci mai su haɗa mana dan akwai komite da muka tsara wanda zai suivi kin wannan kuma na yi bakin gwargwado faransama abin da man bukare hodi haka ne ne amma bana dai akwai bambanci dan ba mu gamu mun so mu gamu da kurakure kuma mun kai saurin mun ka gane gane su kuma mun ka gyara su yanzu dai bisa harakan lakwal jeune fi nan ga dai buza gaskiya sai in ce alhamdulillah wannan mm. matsaloli suna da raguwa kaɗan ko ba gaskiya ba mm, mm. amma a yi bisa ga wajen gwamnati matsala ta gwamnati shati mankin in ana son lakwal ta da ya kamata a maido shi to da in ba a maido shi ba mushen lakwal ba kowa bane lakwal gaban dalibin shi to in dalibi bai tsoron mushen shi ba waje tsoro okay fala to kin fahimta ko uwayen na gane kun shi da abin da uwaye suka ce to uwaye da kansu suka yi magana suka ce lakol ya kamata a ce akwai correction akwai correction ya kamata a ce kuma yaro ya ji tsoron mushen shi kwarai da gaske to dako yanzu ina so in sani cikin uwayen da kuke gamuwa tare da su akwai wanda kuke ganin kamar harkar lakwalkin ba su santa kamar dai ana matsa musu ko ko dai waɗanda kuke gamuwa da su dai uwaye dai suna son da yaran su dai lakwal mm. kwarai ku suna su Mm, mu ba mu taba samun matsala da uwaye ba tun da komi an ka faɗa musu an ci musu ga diyan abin da suka yi in dai suna na an ka faɗa musu su da kansu ka ba da hukuncin inda za a yi ma ɗiyansu mm. mu taba samun matsala da uwaye ba mm. to san dawo wajen wannan dekrekin est-ce qu'il y a un mécanisme da aka installé a nan ga euh, monsieur monsieur Ibrahim quand ce décret il n'est pas respecté pourquoi un parent refuse de d'inscrire ou alors de laisser sa fille aller à l'école Comme vous, l'avez euh, souligné, il y a mm. des sanctions qui sont prévues, mais les sanctions ne sont pas mises en œuvre par les, directeurs, les différents responsables de l'administration scolaire, les différents responsables académiques. Mm. Ce qui fait que ces sanctions ne sont pas mises en œuvre, ne sont pas appliquées. Euh, il y a ces, ces choses, ces liens politiques, les liens les liens socio-économiques, les liens familiaux, tous ces facteurs-là font en sorte que ces sanctions ne sont pas mises en œuvre. Et souvent, quand vous regardez, il y a des choses qui vont vous pousser à donner raison aux parents d'élèves. Hmm. Comme euh, le, gars de la société civile mhm, vient juste mhm, de mhm. le dire, de soulever l'inquiétude. Quand la fille est à l'école, l'enseignant est censé la protéger. L'enseignant est censé la protéger, il doit avoir un pouvoir sur une fille à l'école. Et malheureusement, aujourd'hui, l'enseignant est dépourvu de ce pouvoir-là. Il est dépourvu de cette autorité qui fait en sorte que qu'il soit craint par ses élèves. Et tous ces facteurs font en sorte que souvent, quand vous regardez, il y a, y, a des facteurs aussi euh, religieux. Ah, je me souviens. On peut rien faire. babu kuma suna armada suna suna ba da armi wannan wajen wannan fanni magana in dai yan lakwal ce eh. tana lakwal a hiddo ta yi armi nan ga dai buza ba mu sami wannan ka ba babu to mu kun ga nan yana cewa buza mu ni ban taba servir cikin buza ba ina cikin kauyuka ina servir abubuwa na faruwa reality ita ce abin da sanne nake gani kan tandi buza ce voila kun gani kenan cikin buza ville ne ba samu mai cikin kauyen buza an samu an samu akwai wani wuri an yi sanctioning mun gani akwai wani wuri ba a yi sanctioning ba Mm. parce yanzu mu an san matsala muke samu. For example bana wani ya zo <coughs> ka ni zanka example wani ya zo ya ce yana son yarinya ai mai aure ya biya kuɗi. Mm. Ya yi gini yana jiran ai mata aure. Mm. Aka ki aure. Ya tahi uwanta ne suka ce ba bai aure sai ta samu breve. Mm. yanzu mu ne abun zagi cikin gari mu shani yake zagi hai abin da sa iska eh. ne dan mi dan uwan yarinya sun ce ba su mata aure sai ta samu brevi ta yi katirin bana eh. abu ne wanda an kun gani kenan akwai uwaye masu son su su hana diyansu aure sai bayan umon su bpc eh, me akwai wasu kuma wanda babu ruwan su akwai son an sizi an bara su kuma ka diba wata rana kuna iya ba uwayen yaran gaskiya yarinya ta kai mace a latin la puberté et à l'école elle est là comme l'a dit mon secrétaire général en tant que une sorte de, de, figure. Elle est là juste pour gonfler les chiffres. ok bah, on on parce que à la fin d'année quand on fait des propositions des passages on dit que celui qui n'a pas 9,50 ou celui qui n'a pas 9 ne peut pas passer vous retrouverez l'année prochaine quelqu'un qui a 7 et qui est en classe supérieure les, les parents d'élèves on, on, les soutient parce qu'on les déçoit c'est une sorte de déception votre enfant il y a des élèves de la 6 qui ne savent pas écrire leur nom on les a un élève de troisième qui ne sait pas lire. Moi, j'ai vu une élève de troisième qui ne sait pas lire. Comment a-t-elle fait pour venir en troisième Mais est-ce qu'il au niveau local, il y a des structures qui quand même qui, encouragent ou qui protègent, en dehors des parents bien sûr. Est-ce qu'il y a des structures de jeunes qui les encouragent à aller à l'école ah, Est-ce qu'à a de structure de ce qui est Quand maman est Structure de jeunes, su ne su ne parce que duka wanda muke gani ci sa kim president na kujes duka mm. masu son lakwal ne masu son lakwal ne ma son ɗiyan su yi kol wannan muna gani muna sheda sai an zo an zaɓa a sa kuma mm. kullu suna zo kuwa suna suivi wani ya zo lakwal wani mai akwai wani wanda ya un parent d'élève à qui vous ne pouvez pas imposer un comportement Ouais, il, il, il se dit responsable de sa fille mm-hmm. il se dit seigneur et maître il a tous les droits sur sa fille un parent d'élève ne peut pas lui, euh, lui imposer un comportement président na kojes bai ciya ka bar ɗaya ta lakwal in ya ga zai barin ta lakwal yana faruwa president duka wanda ake sa har kojes suna son lakwal yawancin su mai malurzuman mutane ganin suke diya su ne addasu rai sama wani malami ya yi magana akan wanga lezekola les internats. Les internats. Suka ce ba su turi ɗinsu internat. Justement, on va venir aux internats, mais avant cela, on se reprend juste après. hadiza manguwa wannan da muka da bakin namu wanda su suka inu on les accueille ici a notre radio partenaire <laughs> da ta mu ko mun kusa zuwa tambaya ta yanzu ka fara zance eh, an fara zance bisa kan le 22 mars 2022 eh, la cérémonie de réception de l'internat des jeunes filles de Moujia, commune de Badagishiri, département de Lela. C'est juste à 18 km d'ici, hein. C'est pas loin d'ici, voilà. A garinku, yikuke bakata amuku, ananga, zanda wajanku. Et ça arrête tout. dan da atare ɗaya mata dai sun samu lakwalkin wannan sun je kuma an zamana kuma an yi karatun hallu mu yanzu bukatan mu yanzu hmm. ko koma an kai lakwal mu wa'annan salulun ne ba mu son yara su koma da su su haɗa matakin da za a ɗauka bisa ga wa'annan salulun ne. Kenan tun a cikin makaranta eh. a hana salula a raba yara da salula. A raba yara da salula mun suna muka so a raba su da ita. To musanni kun ji ko? Musanni ba su tsoron musanni. Ba su tsoron su. Kwata-kwata ma ba su tsoron su. To. Eh, ni ina ɗan ƙarin bayani bisa ga aha, me isaka. Mm. Bisa ga maganar da malama Sa'adu ta yi. Mm. haka ne in dai shashin gwamnati ne mu gwamnati muna kira mu matsalolin da adda gare mu sai s bisa ga harkar mata menene saboda la kwalba ta da shi yasa ka gani kowa ya shigowa kaga dan kabu kabu a diesel a leur leur kin da karatu kaga dan civil wanda ba dan lakwal ya zo cikin lakwal yana hira da yarinya amma ya an ce lakwal kin nan an yi mata katanga an kewaye ta mm. kenan kenan batta yiwuwa ne a ce mai gadi yana can zamne mai gadi a laporte ne kenan batta ta yiwuwa ka shiga in ba dan lakwal kake ba mm. to matsalolinmu kenan in dai an kai mana wannan an kai sirance mana lakwal kin to ba mu da wata matsala ko guda in kaga matsala ta zo sai mu mun kaso ta franchement problem kin mu mu dai sai eskin buze kenan rashin katanga in mun ka sami mirkin nan to komi gwamnati ya yi mana shi muke so yanzu zan zo wajen ku monsieur bukari ina so in ji ko kuma shawara ku ni kuke ni kuke gani ya kamata a yi To, ka san kamar wada president na faran da ya laba ya ce a katange lakwal. ya eh, an katange lakwal ba katange zuciya na ba. Lalata ga zuciya na take. In an yi mir daga nan ya tabo sama. Lalataccen mutum sai ya lalata ta. Babban matsala, babban matsala wadda muka fuskanta. Mm. Tule da tablisman da Niger akwai fitu da responsibility. Dabar ta ita saboda ita ita ta ɗauko an sanyanta kamuna. Eh, ita ta ce mutumin nan kakka kuskura ni yanzu ban isa da ɗanka ba to ina da wannan valar kin ta an sanya ai ba wani abu ya kama da kiga system educative nigeria ya tabarbare ba saboda valar kin da an ka sani ga an sanya ita an ka zagi an ka bar shi ni lan sanya ne pirin far kontra ina fa saboda yaro yaro zai yi lahi mushe shi mai magana wallahi shina zuwa gidansu ce hodi za a yi atakin mushen nan to kake a tai wurin atake na furkuwa furkuwa intervenir faran da kuna da matsala kuma sai kun koma an koma wajen ku kuma vous avez votre part de responsabilité yaro ya zo gida ce mushe ya yi min kaza sai ka dauko ice kai na ta inda mushe gace ça qui est madame Bourouba. Non Tu es en train d'encourager ton enfant à être impoli. Parce que l'enfant prend plus de temps avec l'enseignant que son père. doki example akwai makaranta allo ai malami bulala gare ko dan waye kai ko dan waye kai in ka zaka inda ya karanta ba ka gane baki ba sai ya tsuka ba bulala eh furko na jami'ar yashi sai nan lakol a kawo an sanyan an sanyan kin ga hudiyan mu na ba wace muke an kai da sama na ka jiwo su ba ba da etanaje na ka doko su akan sai da nigerian komnu na baka hurumi na kai ilfo education na duk irin keta mushe duk irin keta mushe bai gana aya ko yaro sayan gishiri ko sayan mai tare shi ba shi kashi in ka ga mushe ya yaro akwai lahin da yi sai ne dikator kan ton pal dedication kenan duk abin da ka ga tara ya ɗanka ba cikin bai so ne bane kenan mu faran da ya kamata mu tsaya mu tantance mu yi dekantan problem ina na shiki mhm, mhm. lansanyan ne fa ne fa mishan wanda duk zai koya maka hada baki haka samu ka ci gaba ka iya zaman rayuwarka ta duniya ba makiyanka na ba to kun ji ne mai bukar zan dawo wajen ku eh to eh, Ibrahim haka ne eh Ibrahim Sa'adu kai kuma me ka gani eh, Danka merci SJ du syndicat des enseignants du secondaire Merci mhm. je voudrais vous demander de m'excuser. Mhm. Je vais résumer, mais je voudrais revenir sur certains éléments, particulièrement la responsabilité des parents. Mhm. Euh, Issoufou, le professeur d'histoire géo, il est en même temps chargé à la formation syndicale, mhm. a fait cas d'une situation que je connais parfaitement, mais qui euh, n'est pas locale, qui n'est pas de, de Bouzaville. C'est pourquoi il y a incompréhension. Hmm. La réalité diffère de la ville de Bouza aux autres aux alentours. Aux alentours, mm. effectivement. Mm. Et c'est le lieu euh, de saluer le courage du président du COGES qui représente les, le parent d'élèves mm-hmm. et en même temps la dame présente qui mm, est présidente euh, de, l'association des mères d'élèves. Ici, en tout cas, il y a moins de problèmes par rapport qu'ailleurs. Et ça, c'est dû à leur détermination, à leur suivi. Je me rappelle bien, nous avions assez à une rencontre. Ben, on leur a ah, hmm. nous avions assisté, à une rencontre avec le préfet, euh, le syndicat des enseignants, euh, le syndicat des élèves, avec toutes les autorités départementales. La parole était donnée aux élèves et un élève était assis comme s'il était préfet. Et dans la salle, personne n'a parlé à part lui. Il était le seul à interpeller l'enfant. Attention, Même l'inspecteur d'enseignement secondaire était debout par respect à la mais l'élève était assis tranquillement. Il pense qu'il peut faire ce qu'il veut parce que personne n'a parlé. Mais lui, il n'a pas toléré ça c'est pour revenir sur ce que le responsable de la société civile a dit. Mhm. D'abord, c'est la responsabilité de l'État que vous avez fait cas. Mhm. Le plus souvent, nous, on est as dans les concepts au Niger. On crée une loi, on fait sortir un décret, mais au fond, c'est vide parce que ça ne cadre pas avec la réalité. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut L'objectif c'est de maintenir des jeunes filles nigériennes à l'école pour faire des statistiques envoyées en Europe, dire que voilà, nous, nous avons tel pourcentage de filles scolarisées pour avoir un financement. Il faudrait que le vrai débat se pose. Nous avons des élèves mariés. Le mariage n'a jamais été un problème. Sauf si on veut jouer à l'hypocrisie, mais ça n'a jamais été un problème. En réalité, ce n'est pas ça. Il faudrait poser le vrai débat. C'est pourquoi moi ce que je propose à ce niveau-là, s'il y a des décisions qui engagent l'éducation, il faut prendre ceux qui sont du domaine, qui maîtrisent la réalité et non pas des nantis dans des bureaux qui n'ont aucun contact avec la réalité et qui vont décider de qu'est-ce qui va se passer ici au CS de Bouza ou ailleurs. Le châtiment corporel, on l'a dit, il faut vous renseigner ce qui se passe exactement dans les pays développés, particulièrement en France. Exactement. Il ne faut pas qu'on écrive n'importe quoi, dire que c'est ce que nous, les Ligériens, nous allons appliquer dans nos écoles. Est-ce qu'en réalité, à l'école en France, c'est ce qu'on fait Donc tout ça, là, je pense qu'il faudrait qu'on pose le vrai débat. Le châtiment corporel n'a jamais été un problème. Et la scolarisation, ce n'est pas ça le problème c'est surtout le suivi. Ils ont parlé de la clôture, ça c'est un. Deuxièmement, il faut responsabiliser les enseignants. Que je puisse décider, quand tu fais un truc qui n'est pas normal, je peux appeler ton papa. Les surveillants, ils ont un pouvoir sur les élèves, le proviseur, tout ça là. Mais quand tu n'as pas un pouvoir, tu as peur. Et du coup, l'élève peut décider. Si aujourd'hui on fait du mal à un élève, si tu sanctionnes un élève, le syndicat des élèves peut venir dire que non, on n'est pas d'accord. Pourquoi tu as fait moins d'eux On n'est pas d'accord. Ils vont aller voir le proviseur. Ah, même pour les moins d'eux, au fait, ils réagissent. Ils réagissent. Le malheur, c'est que malheureusement, euh, certains administrateurs les acceptent, les écoutent. Du coup, nous sommes dans une sorte de règne. De, c'est une époque enfant-roi. C'est les élèves qui décident, ils vont aller voir le préfet, ils vont causer, après ils vont aller... Tu as tout dit on est dans une époque enfant roi et on a tous les problèmes du monde. Merci à toi. Olivier, je te passe la parole. Avec honneur, bonsoir uh-huh. à tous nos amis auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce soir. Bonsoir à toute la FADA. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ouais. Ben écoutez, quant à moi, ça va très bien. Et dans la chronique de ce soir, j'ai envie quand même de revenir un peu sur l'ère dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans un air un peu spécial un heure dans laquelle le parent n'éduque plus son enfant. Et même s'il fait tout, il va se retrouver face à cette machine qu'on appelle Internet. Internet sur lequel euh, l'enfant est manipulé, influencé et je dirais euh, l'enfant est mal éduqué. On est aussi dans une école où l'école est, elle est influencée. Influencée non seulement par des politiques, par des orientations et surtout par des financements. Parce que ne nous voyons pas la face, l'argent reste le nerf de la guerre. Le châtiment corporel. Je me rappelle très bien que le coup le plus élevé que j'avais pris quand j'étais élève, c'était 25 coups. Ah oui, c'était douloureux quand même, mais ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Un homme qui se bat, un homme qui se cherche, un homme qui respecte ses aînés. Or, l'enfant de 2022 a la chance de ne pas être battu. L'enfant de 2022 est tout simplement un enfant L'enfant de 2022, il prend l'enseignant comme étant son égal parce que dans les cours de l'école, on peut se passer de la cigarette, on peut se passer du café, on peut boire du Lipton ensemble. On est en 2022, tout cela c'est normal. Mais où allons-nous C'est la question qu'on se pose ce soir. Où allons-nous si en 2022, un enseignant doit avoir la peur au ventre avant d'arriver à l'école parce qu'il a peur qu'un élève l'assassine Où allons-nous si aujourd'hui un enseignant ne peut pas en tout cas euh, intimider ou ne serait-ce que faire peur à son élève. Où allons-nous La question, elle est immense. On est tenté d'être pris par euh, des désespoir, mais quand on voit des cheveux blancs à côté de nous, on peut que se nourrir d'espoir. Et je vais terminer avec la phrase de, de l'autre qui disait que l'enseignant n'est pas méchant. Ouais. Oui, je dirais oui, l'enseignant n'est pas méchant. L'enseignant, il est sévère. Et la sévérité a une définition. Pour vous, ceux et celles qui nous ont écoutés ce soir, allez-y, cherchez c'est quoi la définition de la sévérité et vous saurez que nos enseignants, ils ont fait de nous ce que nous, sommes. Merci. Merci bien Olivier, euh, merci pour cette chronique, merci pour ce clin d'œil à l'éducation nigérienne. Ben, c'est la fin de tout ça, la fin de la France et Hausa. On était avec les jeunes. de Bouza, les jeunes enseignants, les parents d'élèves, les OSC, yau de magana ta Kuma abin da dai aka gane cikin wannan eh, hira tamu wannan muhawara tamu yaro dai abun horo ne in alkon ne in a gida ne wannan horon dai shi za ya gyara mana komi sai mu ce a huta lahiya za ku ci gaba da wannan hira tare da abokin aiki na Habibu za a iya samun mafita cikin wannan al'amarin.